auditeurs et auditrices des programmes du studio Kalangou, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro du forum axé sur la déperdition en milieu scolaire de la commune rurale de Kyoto. Vous pouvez suivre les programmes du studio Kalangu via notre réseau de 52 radios partenaires dans tout le Niger ainsi que sur nos pages Facebook et également sur Tuta. Selon l'inspection primaire de Tuta, en 2021, 105 élèves tous du primaire ont abandonné le chemin de l'école. La déperdition en milieu scolaire, quelle est la tendance cette année à Tuta et comment lutter contre ce phénomène c'est le thème du forum de ce soir. Quelle est la cause de cet abandon de l'école par les élèves Quelles sont les conséquences de cet abandon pour les élèves et pour la commune Quelles sont les mesures prises pour freiner ce problème, sachant que l'éducation est impérative pour chaque enfant Autant de questions qui suscitent autant de réponses euh, de la part des acteurs de l'éducation depuis la radio Bonferré Fouma de Kyoto. Nous sommes en compagnie de M. Fataoulay Dandakoy, conseiller élu. Il représente le maire de la commune rurale de Kyoto. Bonjour, monsieur. Nous sommes également en compagnie de M. Adamou Seydou, inspecteur. Bonjour, monsieur. Sur ce plateau, nous avons invité également Madame Soumaïla Fatima, membre de l'association des parents d'élèves. Bonjour Madame. À la technique, euh, c'est Seine Isaka. À la modération, je suis Balkis Ahmed Sidi. Auditeurs et auditrices des programmes du studio Kalangou, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro du forum axé sur la déperdition en milieu scolaire de la commune rurale de Kyoto. Monsieur le conseiller, comment se porte euh, votre commune euh, Merci madame euh, du studio Kalangu. au niveau de la commune de Kyoto, par rapport à l'abandon des élèves euh, surtout du, primaire, nous inquiète énormément parce que vu le chiffre avancé par l'inspection, ça doit interpeller tout un chacun. Et parmi les raisons, les causes qui sont euh, qui expliquent cela, ici, euh, les responsabilités sont partagées parce que l'école c'est plusieurs acteurs, c'est le concours de plusieurs acteurs, n'est-ce pas, pour la réussite des enfants. J'ai noté par exemple, euh, il y a l'État d'abord, qui a un grand rôle, une grande responsabilité dans la bonne marche de l'école. Nous avons le rôle euh, des enseignants, nous avons aussi le rôle euh, des parents et les élèves eux-mêmes. Alors, nous constatons ces dernières années, et en ce qui concerne euh, l'État, et qu'il y a vraiment un certain abandon au niveau du soutien, au niveau de l'investissement de l'État dans le secteur éducatif. Et cela amène à, euh, comment on l'appelle, fait que les élèves, les parents d'élèves les enseignants eux-mêmes euh, ne, donnent, euh, ne pas assez d'importance. Euh, quand vous faites un tour au niveau des écoles primaires, vous allez voir vraiment assez de, de hangars. Ça, ça, ça, fait en sorte que les élèves sont quelquefois même assis à même le sol. Ça décourage les enfants, puisque un enfant qui voit que ses camarades sont dans une classe à matériaux définitifs, alors que lui, il est assis à même le sol, ça décourage. Alors, en ce qui concerne les enseignants, nous constatons aussi un manque de niveau. Bien que même cela, il y a aussi la responsabilité de l'État parce que c'est l'État qui doit former les enseignants. Mais en ce qui leur concerne, il y a aussi l'absence L'absence chronique de certains enseignants. Là aussi, ça peut décourager l'enfant, parce que l'enfant vient euh, aujourd'hui, il ne trouve pas son, son enseignant, demain il revient, ne le trouve pas, et eh bien le, le lendemain, il peut ne pas revenir, jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Alors, les parents, en ce qui concerne les parents, il faut que les parents aussi s'investissent, n'est-ce pas Il faut qu'ils accompagnent euh, les enfants euh, à l'école. Et ce que nous voyons, il y a beaucoup de parents qui ne s'intéressent pas. Si le parent lui-même ne s'intéresse pas à l'école, il va de soi que l'enfant ne, va pas à l'école. Merci, monsieur le conseiller. Merci. Monsieur l'inspecteur, euh, présentez-nous brièvement la situation de l'inspection de Kyoto. Merci Madame. Euh, l'inspection de Chota d'abord est créée par l'arrêté numéro 365 du MEN du 22 octobre 2018. Et pour sa situation, elle est située entre l'inspection de Kogolo qui est au nord et l'inspection de Ngonga au sud. À l'ouest de Kyoto, nous avons l'inspection de Harikanasu et à l'est, l'inspection de Grand Elle est située à 25 km de la commune et de la direction départementale et à 57 km du chef-lieu de la région. elle a un effectif de près de 4536 élèves en 2019-2020. Et cette année, on se retrouve avec 4140 euh, élèves sans compter les, les préscolaires, dont 2404 filles. Qu'en est-il de la fréquentation des élèves On a à peu près des cas d'abandon, comme vous l'avez signalé comme thème du jour.

on se retrouve avec 165 cas d'abandon au lieu de et dans ces 165 cas d'abandon, on relève 72, et 72 filles. Donc, euh, monsieur l'inspecteur, selon vous, qu'est-ce qui explique euh, ce problème Pourquoi les élèves abandonnent l'école Comme monsieur le conseiller vient de l'annoncer, je suis vraiment de même idée que lui. La responsabilité est partagée du niveau supérieur au niveau local. Donc l'État a une grande part de responsabilité. Comme il l'a indiqué, les enseignants doivent vraiment avoir une motivation. Donc, euh, parmi les causes, vous voulez dire que les enfants les enseignants ne sont pas motivés. Apparemment, ils ne sont pas motivés. Je vais un peu m'expliquer et les infrastructures dans lesquelles les gens mènent leur activité, ces infrastructures-là ne sont pas tellement appropriées pour euh, le travail. Un enseignant qui a quitté peut-être une localité et qui travaillait dans, dans une classe en matériaux définitifs et qui se retrouve maintenant dans une autre localité et dans, un, dans une période, vraiment les conditions ne sont pas créées pour le motiver et pour qu'il mène bien son travail. Et de même, ses élèves, un enfant qui doit avoir des documents, lire et écrire, et qui se retrouve à même le sol, Vraiment, sa position ne lui permet pas de fournir tellement d'efforts, ne permet pas de fournir d'efforts et il se, il se voit vraiment désintéressé. Donc cela peut être euh, les causes, quelques causes qui motivent les enfants à abandonner l'école. Merci, monsieur l'inspecteur. Nous allons donner la parole à madame. Madame, êtes-vous au courant de la situation ou bien de ces cas d'abandon est-ce que, selon vous, pourquoi les élèves, ou bien je vais dire vos enfants, quittent l'école dès le primaire Parce que nous avons environ 165 cas d'abandon cette année. Bien que l'année passée, les cas étaient supérieurs. Cette année, une centaine de cas. Selon vous, pourquoi cet abandon d'école Bon, il y a plusieurs phénomènes qui poussent à ces enfants d'abandonner les écoles. Donc, par exemple, il y a la pauvreté des parents. L'État a tout laissé, les, a, laissé les parents. Donc, les charges de, ses ces enfants sont dans les mains de ses parents. Donc, cette cause aussi peut pousser l'enfant à quitter l'école, la pauvreté. Il y a aussi les mariages précoces, les mariages à bas âge des enfants. Il y a, pendant les cultures de contre-saison, les mamans qui amènent leurs enfants donc au jardin pour faire les jardinages. Tout ça, c'est dans le domaine de la pauvreté. Donc, il y a des enfants qui sont des jeunes filles qui sont mariées très tôt, avant l'âge des mariages précoces, avant l'âge euh, de 18 ans, depuis l'école primaire, des enfants qui sont mariés par leurs parents Bien sûr. J'ai été euh, renseignée d'un cas ici, donc d'une fille à, l'âge, à bas âge qui a été mariée par ses parents. Bon, elle a commencé à fréquenter l'école, mais maintenant elle ne plie, elle ne plie là, elle a quitté même le pays pour y rejoindre son mari. Donc nous avons le manque d'infrastructures, l'absence euh, de motivation, la pauvreté, les mhm. Et monsieur le maire, Kyoto étant une ville religieuse par excellence, elle est le fief de la confrérie Tijania. Pensez-vous que ces élèves ont jeté le pont pour s'intéresser aussi à l'école coranique euh, C'est un phénomène euh, qui n'est pas développé, bien que Kyoto soit un fief de la confrérie Tijania, à l'image même des chefs religieux qui envoient leurs enfants à l'école, euh, à l'école, comment on l'appelle, des blancs, comme on le dit. Donc les parents voient. Parce que la plupart des enfants de, de la famille du chèque euh, ont fréquenté l'école traditionnelle. Donc ça va servir d'exemple. Je ne refuse pas certains élèves, certains parents envoient leurs enfants et surtout quand on constate ça, quand l'enfant a abandonné l'école. C'est à ce moment-là que certains parents pensent à envoyer leurs enfants quelquefois ailleurs même de, de en dehors de Chota, par exemple vers le Nigeria. Mais c'est vraiment, c'est pas un phénomène qui est développé. Hmm, c'est des cas rares. En dehors de tout ce que vous venez de dire, est-ce que la mairie a une fois essayé de réunir les acteurs, je vais dire les acteurs, l'inspection, les parents d'élèves et vous-même qui représentez l'État ici, est-ce que vous avez pris des initiatives pour pouvoir discuter de ce problème Oui, il y a tout récemment même, il y a des comités de veille qui ont été comment créés dans la plupart des écoles. Hein. Et ce, comité de veille là, regroupe presque toutes les couches concernées par, par l'école, que ce soit les autorités, que ce soit les ulémas, que ce soit les élèves, les parents d'élèves, euh, les enseignants. Ces comités de veille-là sont chargés de vérifier l'assiduité, n'est-ce pas, des élèves. ça ne fait même pas longtemps, que j'ai vis des parents qui ont été convoqués par ce comité de veille-là, qui sont partis jusque dans leur famille demander la raison de, comment l'appel, de l'abandon de l'enfant. Hmm. Donc il y a vraiment des efforts qui sont en train d'être faits dans ce sens-là. merci Monsieur le Conseiller. Monsieur l'inspecteur, vous êtes euh, éducateur, vous êtes l'autorité des enseignants. Selon vous, l'abandon de ces bancs par les élèves, quelles conséquences cela peut-il avoir sur l'éducation des enfants L'abandon a vraiment une, une conséquence euh, néfaste parce que ça entrave d'abord le développement en général du, pays et des systèmes éducatifs en particulier. Parce que l'enfant qui est appelé à aller du primaire au secondaire jusqu'au supérieur et qu'on envisage avoir comme future autorité de, de l'État et qu'à un certain stade de son cursus abandonne Vraiment, c'est quelque chose qu'on doit essayer d'arrêter. De, Et Dieu merci, Dieu merci. Comme je le disais tantôt, nous avons eu des partenaires qui luttent et à travers les chiffres que je venais d'avancer, on a eu à constater une évolution normale des choses. Donc, euh, on souhaite néanmoins un support ou bien disons un soutien de, l'État pour euh, encore améliorer les situations. Mais à votre niveau, qu'est-ce que vous avez proposé Est-ce que vous avez l'habitude de voir, d'approcher les parents pour euh, parler de la situation Ça, c'est notre travail de routine d'ailleurs. À part euh, les activités des structures comme les AME, les COGES et consorts, au niveau même de l'inspection, on organise des sorties avec euh, la mairie. Généralement, on amène nos requêtes et Dieu merci, ils nous reçoivent et nous donnent des coups de main. On a tout récemment organisé une sortie avec euh, les agents de la mairie pour aller rencontrer les parents et pour leur sensibiliser par rapport à l'utilité de l'école et comment aussi s'organiser pour au moins amoindrir l'effectif des abandons qu'on constate d'année en année. Et rien que cette année, on a été dans plusieurs établissements et vraiment on a rencontré des parents aussi qui sont actifs, qui sont déterminés à lutter avec nous pour combattre ce fléau. Oui, ah, tout à l'heure, le conseiller disait que parmi une des causes de l'abandon de ses élèves, il y a le manque de motivation des enseignants. Que pensez-vous de cela Êtes-vous de cet avis Effectivement, les enseignants doivent vraiment avoir euh, un soutien, ne serait-ce que moral, parce que on a constaté que l'école, l'autorité de l'enseignant par le passé était plus considérée que ces derniers temps. L'enseignant dans un village ou dans une localité vraiment a perdu un certain nombre de pouvoirs et cela aussi peut jouer sur euh, le, le travail. Les enfants qui n'ont pas un peu peur de leur enseignant, alors ils peuvent abandonner ou venir à l'école à leur guise. Donc, euh, quand l'État soutient en quelque sorte l'enseignant, alors localement l'enseignant est considéré comme une autorité et que sa parole a un poids sur les réussites du travail. Euh, justement, l'État, nous avons les représentants, les élus locaux, monsieur le conseiller, vous représentez l'État ici. À votre niveau, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous entreprenez pour euh, motiver ces enseignants à pouvoir euh, retenir les enfants à l'école Au niveau de la mairie, la mairie est en train de de s'investir dans, euh, comment on l'appelle, euh, pour aider les écoles, notamment les écoles primaires. Parce que ça ne fait même pas longtemps, la mairie a mis à la disposition de, des écoles traditionnelles de la Médressa plus de 50 tables bancs et des cartons de craie, euh, comment on l'appelle, pour aider l'inspection de la commune de Chota. Et nous pensons aussi, comme l'a dit monsieur l'inspecteur, euh, euh, organiser des séances de sensibilisation pour amener les parents, les, enseignants vraiment à, lutter contre cet abandon-là. D'où la création des comités de veille, comme je l'ai dit. Oui, les comités relais. Madame, l'éducation est un droit. En tant que maire Qu'est-ce que vous sentez si un enfant, vous avez, nous avons tout à l'heure, euh, l'inspecteur vient de l'évoquer, une centaine d'abandons. Si chaque année, on, 100 enfants abandonnent l'école à Kyoto, qu'est-ce que vous ressentez quand l'enfant abandonne l'école donc, nous savons bien que l'éducation de la jeune fille a toujours été une question d'importance primordiale pour le développement d'un pays. Donc, en tant que mère, je sens mal que la fille abandonne l'école pour revenir à la maison. Parce que éduquer la fille et scolariser une fille, c'est lui permettre de prendre soin d'elle-même, de lui, de lui permettre de prendre soin d'elle-même, de choisir, de faire, de faire ses propres choix et d'avoir un métier. Donc c'est pas bon qu'une fille abandonne le banc pour revenir à la maison et rester comme, comme elle n'a rien à faire à la maison. Donc, en tant que mère, nous, nous avons déjà établi un plan d'action avec l'aide de la mairie et de l'inspection pour la, la, sensibilisation des parents afin qu'ils inscrivent massivement leurs filles à l'école. Donc notre objectif est de mieux maîtriser la problématique de la scolarisation des filles aux populations afin d'engager des actions de vie en remédier la situation. Il faut trouver des solutions, mais le problème ne concerne pas seulement les filles, ça concerne eux les, et les filles et les garçons. Est-ce que une mère qui voit l'enfant quitter très jeune l'école, vous n'êtes pas sans savoir que l'enfant, c'est un enfant, il est inconscient. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Lui, il est inconscient. À votre, en tant que mère, qu'est-ce que cela, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez des enfants en train d'errer au fond du, cœur, quand vous voyez les enfants en train d'errer dans la ville En tant que mère, vraiment, je ressens que c'est pas bon de laisser les enfants et les filles et les garçons dans les rues pour traîner parce que l'éducation est très importante. L'éducation, c'est quelque chose de primordial. Oh oui. Nous discutons sur la déperdition en milieu scolaire dans la commune rurale de Kyoto. Vous avez entendu quelques raisons avec nos invités. Nous allons écouter les conséquences selon vous. Je reviens une fois de plus. Monsieur le conseiller, vous êtes l'élu local. Vous représentez l'État ici. Voir chaque année, ne serait-ce qu'un enfant qui abandonne donc l'avenir pour lui, c'est d'errer. Vous voyez, on prend une année et voir une centaine d'enfants en train d'errer dans la rue, dans les rues à Kyoto. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez des enfants en train d'errer Oui, quel que soit l'enfant, s'il est abandonné à lui-même, donc je, je sens, euh, comment l'appelle, je me sens mal au cœur. Parce que je sais que l'enfant là, s'il ne fait pas attention, il risque de devenir un délinquant. Et si l'enfant devient délinquant, c'est un problème pour toute la société entière. Euh, comment l'appelle euh, l'enfant euh, L'avenir de l'enfant est gâché. Donc, il va s'intéresser quelquefois à la drogue, quelquefois au petit vol, et qui va l'amener dans une destination qu'on ne souhaite pas. Donc, sincèrement, ça, ça fait mal, n'est-ce pas, de voir un enfant iri euh, abandonner l'école. Ça fait réellement mal. En tant qu'autorité, qu'est-ce que vous allez, vous pouvez préconiser maintenant aux enseignants ou bien à l'inspection pour pouvoir éradiquer ce problème euh, En ce qui concerne l'inspection, euh, l'inspection, a le rôle de, veiller à ce que, comment on l'appelle, les enseignants soient assidus. Parce que c'est lui qui est la police au niveau du, du, système éducatif. Parce que c'est l'inspecteur qui peut sanctionner l'enseignant qui ne vient pas, qui n'est pas assidu. Donc, euh, si euh, les enseignants sont assidus et que l'enfant qui ne vient pas à l'école, l'enseignant qui a la charge de l'éducation de cet enfant-là doit informer qui de droit les parents pour qu'ils prennent conscience de la situation. Parce que quelquefois, le parent ne sait pas que l'enfant qui quitte chez lui ne, ne vient pas à l'école, mais part ailleurs. Donc, quelquefois, le parent n'est pas euh, informé. Donc, l'enseignant a la charge d'informer, n'est-ce pas, le parent. Maintenant, si euh, après tout cela, l'enfant ne vient pas, ça veut dire que le parent lui-même n'est pas conscient. Donc, il doit informer ses supérieurs hiérarchiques euh, qui doivent réagir n'est-ce pas, pour remédier ce problème. Merci, monsieur le Conseil, Monsieur l'inspecteur, qu'est-ce que vous préconisez pour euh, éradiquer ce phénomène Notre euh, proposition, comme madame l'a dit, on, on cherche à sensibiliser les parents et à travers ces sensibilisations, on fait participer les structures locales comme les AME, comme les comités de veille qu'on a installés dans les villages, dans les établissements. Et on arrive quand même, malgré les manques de moyens, à fournir euh, quelques efforts. Monsieur l'inspecteur, en parlant des moyens, est-ce qu'on peut avoir la situation des infrastructures euh, au niveau Au niveau de, l'inspection. Merci, madame. Et eh, c'est vraiment une difficulté que l'inspection de Kyoto est en train de vivre. À l'heure où je vous parle, l'inspection n'a qu'une seule moto Cassia comme moyen de déplacement, avec 23 écoles de l'inspection. Vraiment, pour tout le personnel, la seule moto ne peut pas couvrir les besoins. Deux fois, seul l'inspecteur se déplace. Or, c'est pas lui seul qui peut déceler tous les problèmes qu'il y a dans les établissements. Et même s'il arrive à les découvrir, le seul inspecteur ne peut pas. Donc, euh, trouver les solutions. Il faut un commun accord avec les agents parce qu'il y a plusieurs divisions au niveau de l'inspection et chacun a son sphère de compétences. Et quand il y a suffisamment de moyens, alors plusieurs agents peuvent descendre sur le terrain pour au moins amener leur contribution sur le travail que l'inspecteur aussi est en train de fournir. Pour ceux qui ont du personnel, vous êtes au nombre de combien On est au nombre de 6. Donc euh, le chef personnel, il y a l'inspecteur en, personne, il y a les magasiniers, le chargé, le chargé des infrastructures, la SCOFI et moi qui vous parle euh, en tant que chargé des évaluations et concours. Donc chacun a son sphère de, compétences. Et c'est pourquoi vraiment la seule moto que nous avons à notre disposition ne peut pas nous permettre de descendre sur le terrain au moment voulu. Et c'est ce qui entrave surtout quelques réussites dans le travail. Ce que j'aimerais savoir maintenant, pour ce qui est des infrastructures, toutes les classes dans tous les établissements, tout est en matériaux définitifs ou bien qu'est-ce qui prime C'est les matériaux, il y a des classes en paillotte Il y a beaucoup de classes en paillotte. Si j'ai bonne mémoire, on a sur les, 113 ou 117 classes, nous avons à peu près 35 classes en paillotte. Donc vous voyez, il y a tellement de besoins. Et qui sont dans les classes en PAET là Bon, avec les nouvelles mesures que l'autorité nationale a instruites aux enseignants, c'était les petites classes qu'on avait introduire dans les, classes en paillotte. Mais vu les différents dangers qu'on a constatés au cours de l'année, tels que les incendies et autres, l'autorité a instruit au chef des établissements de changer les dons. Donc, euh, c'est les grands élèves du CM qu'on a ramenés dans les classes en période et les petits-enfants du préscolaire au CICE, on les a amenés dans les classes en matériaux définitifs. Pensez-vous qu'ils peuvent étudier dans les classes en période Est-ce que les, les conditions pour pouvoir euh, transmettre le message. Parce qu'un élève de CM1, il est presque dans la classe euh, d'examen. Hein. Un élève qui doit écrire et qui se trouve en même le sol, vraiment les conditions ne lui permettent pas de bien maîtriser les instructions qu'on arrive à lui, à lui donner. Parce que laisser un cahier par terre, s'accroupir sur le cahier et essayer d'écrire, vraiment, il y a tellement de positions qui ne sont pas adaptées pour lui permettre de maîtriser les, méthodes d'écriture. Monsieur l'inspecteur, je n'ai pas bien cerné. Et les, élèves là, qui sont dans les classes en pâte, ils s'assient pour prendre les cours. Comment ça se passe Je n'ai pas bien cerné. Ils sont, ils sont par terre, tantôt sur des tapis, tantôt sur... Euh, Et les tapis là, ça vient, c'est de l'inspection Non, non, non. Ils, viennent avec leurs tapis de la maison. Au niveau des, des classes en paillotte, la majorité vraiment n'ont aucune table. Même le maître de foi, on le trouve vraiment sur des bancs, même pas un table bureau. Comment est-ce qu'il peut dispenser les cours s'il n'a pas de bureau Vraiment, voilà les difficultés qu'on rencontre et qu'on cherche vraiment avec l'État un petit effort pour au moins mettre ses enseignants dans les conditions et même les élèves également. Dieu merci, on a eu quand même cette année la contribution de la mairie, comme le conseiller lui l'a souligné, quelques tables banques qu'ils nous ont confectionnées et qu'on a pu au moins améliorer un peu la situation. Je reviens vers euh, la représentante de l'association des parents d'élèves. Vos enfants qui étudient par terre, comment est-ce que vous vivez cette situation en tant que mère Un enfant de CM1 prend les cours par terre. Qu'est-ce que vous ressentez Nous ressentons que ce n'est pas du tout bien. Un enfant qui doit recopier ses leçons et par terre sur un morceau de un bout de sac à, terre. Comment il peut recopier ses leçons et les apprendre Donc Vraiment, il y a beaucoup de difficultés là-bas. Et pour ceux qui ont des documents, vous avez assez de documents pour les élèves ou l'enseignant Bon, pour les documentations, on ne dit pas qu'on a suffisamment de documentations. On remercie Dieu, on utilise euh, quelques fournitures que nous avons parce qu'il y a eu des années où même les, les dotations ne parviennent pas. Pourtant, chaque année, on voit à la télé des Documents, oui, à la veille de la rentrée. Ça, c'est des termes politiques. En réalité, nous vivons ce que nous, avons, les réalités sur le terrain. En matière de documentation, vraiment, on a besoin aussi des soutiens. Est-ce que vous avez l'habitude d'adresser des doléances à l'autorité communale ou bien aux autorités supérieures pour qu'ils puissent contribuer face à ce problème Presque chaque année d'ailleurs, on rassemble les chargés de matériel, les magasiniers, pour leur demander de fournir une programmation deux fois annuelle ou triennale. Et donc avec euh, ces programmations, je crois que l'État est au courant des pénuries des, manuels qu'il y a dans les établissements. madame, vous confirmez que cela peut être une cause. L'enfant n'est pas dans les bonnes conditions, il n'y a pas de mois. Vous pensez que ça peut être une cause de l'abandon Ça peut être la cause même de l'abandon des enfants, parce que l'enfant n'est pas dans des conditions. Il n'a pas de fournitures. il n'a pas, n'a rien pour venir à l'école. Et il vient, il s'assoit à terre sur des tapis pour apprendre ses leçons. Donc ça peut être la principale cause même de l'abandon de ces élèves-là. En tant que maire, vous ne contribuez pas ou bien aidez ces enseignants pour qu'ils puissent partager le, message aux élèves En tant que maire, nous n'avons jamais eu l'idée de contribuer. Mais qu'est-ce qui manque Donc vous n'avez pas pris le soin de vous concerter face à cette situation Nous prenons soin de cette situation, mais on n'a jamais eu l'idée de en tout cas de contribuer dans ce genre de situation. Monsieur l'inspecteur, je reviens vers vous. Quel est l'appel que vous lancez à l'endroit de ses parents, à l'endroit de la mairie et aux plus hautes autorités, étant donné que le président de la République a fait de l'école son premier devoir Donc euh, d'abord aux parents d'élèves, à travers les structures organisées les AME, les APE, les COGES. Donc, euh, nous demandons vraiment de bien cerner les, difficultés qui engendrent les abandons dans les établissements. Et nous avons, à travers notre entretien, souligné qu'il y a les manques de moyens, la pauvreté comme un, un certain nombre de causes. Alors, ces structures euh, doivent vraiment avoir euh, une idée euh, pour euh, solutionner cet abandon et donc la contribution financière et d'ailleurs ça fait partie un peu de leur programme la contribution financière et Dieu merci elles fournissent quand même de l'effort mais il n'est pas de trop. Et pour encore avoir vraiment suffisamment d'outils pour euh, mener leur travail, je demande à l'autorité de programmer une formation à ces structures. Parce que jusque-là, c'est avec leur propre initiative qu'ils arrivent à s'organiser et à lutter dans le cadre de l'éducation. Et maintenant, sur le plan éducatif, les enseignants et qui sont les maîtres de terrain, qui connaissent les tenants et les aboutissants de ces abandons, de fournir davantage des efforts en bien gérant la situation et comment en impliquant les structures en impliquant les parents et à organiser quelques forums ou assemblées généraux, donc euh, pour au moins sensibiliser de part et d'autre les gens pour voir ensemble quelles dispositions prendre pour au moins euh, diminuer les taux d'abandon qu'on constate euh, d'année en année. Merci, monsieur l'inspecteur, monsieur le conseiller. Le président de la République a fait de l'éducation une de ses priorités. Quel est l'appel que vous lancez à l'endroit des autorités pour euh, éradiquer ce phénomène d'abandon d'école par les élèves du primaire Merci, madame. L'appel que je peux lancer à l'endroit de l'État, c'est de s'investir davantage, notamment euh, dans la construction des infrastructures et, et de doter les élèves en fourniture et en manuel scolaire. Et aussi de, de veiller au paiement à terme échu des enseignants. Assurer une formation continue des, enseignants sur le terrain. C'est ce que je peux dire, euh, comment l'appelle, euh, par rapport à l'endroit de l'État. Merci. À l'endroit de ces enseignants, quel est votre appel à l'endroit des enseignants L'appel que je vais lancer à l'endroit des enseignants, c'est vraiment l'assiduité. Parce que quel que soit le, bagage intellectuel d'un enseignant, s'il n'est pas dans la classe, il ne peut pas, euh, comment on l'appelle, euh, faire son travail. Donc il faut que l'enseignant soit assidu pour pouvoir avancer au niveau du programme, euh, comment on l'appelle, qu'il doit enseigner. Merci, monsieur le conseiller. Madame, vous représentez les parents d'élèves. Vous êtes membre de l'association des parents d'élèves. Quel est l'appel que vous lancez à l'endroit des enseignants d'abord Ensuite, à l'endroit des autorités, la mairie et des autorités au plus haut niveau. Donc, je lance un appel aux endroits des enseignants d'aider nos enfants. Donc, car ce sont nos enfants de venir dans l'assiduité de monsieur le conseiller donc a approché, d'être assidu à l'école. Je lance un appel encore à l'autorité de nous aider dans la structuration de, l'école, d'amener les moyens nécessaires pour aider nos enfants dans les écoles, et surtout à la mairie et au cadre de la commune. Monsieur l'inspecteur, un appel à l'endroit des parents et de l'autorité pour euh, avoir les moyens nécessaires, partager le savoir-là avec euh, les élèves. Pour les parents, je dois leur dire que vraiment le maître seul ne peut pas encadrer les enfants. Le maître seul ne suffit pas. Il faut avoir vraiment une idée de suivre les enfants. Et même si dans la semaine on part une fois dans l'établissement, pour se renseigner auprès des enseignants qui détiennent vos enfants, alors pour savoir la fréquentation de ces enfants-là. Et si une fois on détecte des anomalies par rapport à la fréquentation de ses propres enfants, alors avec le maître, on peut circoncire le, problème. Et à l'endroit de l'État, donc euh, de continuer les formations de ces enseignants-là et des parents même d'élèves pour au moins bien voir la situation et savoir quelles dispositions nécessaires il faut prendre pour remédier la situation. Merci, monsieur l'inspecteur. Et c'est avec cet appel que prend fin le forum axé sur la déperdition en milieu scolaire dans la commune rurale de Tchota. Nous étions en compagnie sur ce plateau de la radio Bonferré Fouma de monsieur Fataoula Dandokoy, conseiller élu représentant. Il représente le maire de la commune rurale de Tchota. Nous étions en compagnie de monsieur Adam Seini, inspecteur à dans la commune rurale de Chota et de Madame Soumaïla Fatima. Elle est membre de l'association des parents d'élèves. Oui, à la technique, c'est Hussein Isaka. À la modération, je suis Balkis Ahmed Sidi. Au plaisir de nous recevoir chez vous pour un nouveau forum du studio Kalangou.